le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15. Euh, soyez les bienvenus au forum du studio Kalangou, au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs de des régions, mais aussi dans les localités de Filengue, Birningaure, Chirozérine, Mainasoroa, Magaria, Damaske, Bouza, Dolbel et Saï. Au menu du forum de ce mardi, la région de Difa avec la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed et les autorités administratives, coutumières et autres leaders d'opinion. Ils discutent ensemble de la démobilisation des combattants de Boko Haram, illustrée par la récente arrivée à Difa d'un certain nombre de repentis. Le député Lamido Moumouni qui assiste à la réunion nous dira l'essentiel de ce qui est ressorti des échanges. Nous parlerons aussi éducation avec ce cri de cœur du proviseur du CS Tagama, Tagadez, pour plus d'enseignants dans les classes. Le CS Tagama fait face à un manque de professeurs d'anglais. Le proviseur Sabit Elaj Saleh va raconter comment il se débrouille en attendant une éventuelle solution. Il y a aussi du sport avec la 38e édition du championnat national de lutte ultrationnel qui se poursuit à Tawa. L'ouverture de cette édition a été précédée d'une réunion du comité directeur de la Fédération nigérienne de lutte. Deux importantes décisions ont été prises à l'issue de la réunion. Il s'agit de la suspension du secrétaire général et du trésorier général pour mauvaise gestion, entre autres. Il s'agit aussi de nouvelles mesures prises pour éviter tout trucage dans les différents combats. Vous suivrez les explications du président de la lutte Abouba Baganda. Oui, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, est à Difa où il a rencontré les autorités administratives, coutumières et autres leaders d'opinion. La rencontre a essentiellement porté sur la démobilisation des combattants de Boko Haram. Vous vous en souvenez récemment, certains de ces combattants se sont même repentis. Alors il faut échanger pour qu'il y ait plus de repentis. Explication avec euh, l'ami de Moumouni, député de la région. Il répond aux questions de notre correspondant Adam Babou Karna. Nous avons entrepris cette mission à travers le ministère de l'Intérieur concernant exclusivement la prospection des voies et moyens pour ramener la paix à Difa en utilisant toutes les approches possibles, en l'occurrence celles qui favoriseraient la démobilisation des éléments de Boko Haram. Nous pensons que euh, la recherche de la paix est une exigence pour la vie communautaire. Euh, on peut à un moment ou à un autre dans la vie d'un individu ou d'une communauté, être confronté à des problèmes. Et nous savons que dans la vie de toutes les nations, des problèmes de ce genre sont arrivés. Mais les moyens, les stratégies pour résoudre ces problèmes peuvent euh, dépendre d'une nation ou d'une autre. Donc, le ministre d'État euh, nous a approché en tant que député représentant de la région euh, pour nous dire son intention de venir et l'intention du gouvernement qui consiste à rechercher la paix à travers la démobilisation de Boko Haram. Nous avons estimé que c'est une excellente chose parce que toutes les guerres les plus grandes du monde ont fini autour d'une table par des négociations et autres des pactes de paix, des conventions, etc. D'IFA, ce sont nos enfants à un moment, ou encore jusqu'ici, qui ont, continuent d'être euh, les vecteurs de cette insécurité. Nous, nous devons de nous interroger et nous, nous devons de leur tendre la main pour leur dire ça suffit et qu'ils peuvent revenir, et quitte à trouver les voies et moyens par lesquels on pourrait les intégrer dans la communauté. Mais cela dépend aussi de la volonté commune, c'est-à-dire que ce soit euh, les autorités coutumières, les autorités militaires, les autorités administratives et spécifiquement les populations elles-mêmes. Il faut qu'elles comprennent que nous n'avons pas euh, de bénéfices dans cette guerre. S'il n'y a pas d'évacuation aujourd'hui, euh, à certaines heures de la nuit, où on le fait difficilement, c'est parce qu'il y a l'insécurité. Si les marchés sont fermés, c'est parce qu'il y a l'insécurité. Si on n'arrive pas à vendre le poivron euh, ou euh, les poissons, c'est parce qu'effectivement, il y a l'insécurité. Donc cherchons les voies par lesquelles on pourrait apaiser pour que toutes ces activités que nous avons connues eh, dans un passé très récent reviennent au galop et que la population de Difa puisse eh, s'épanouir économiquement, eh, socialement et culturellement. D'où la rencontre avec les différentes couches socio-professionnelles. D'où la rencontre avec les différentes couches sociales, j'allais dire. C'est-à-dire, c'est toutes les couches sociales qu'il faut rencontrer. Il faut parler avec les gens. Il faut persuader les gens. Ce n'est pas une question de gouvernement ou une question du député ou d'un ministre. C'est une question de toute la communauté. Il ne faut pas que certains se mettent à l'écart pour penser que non, c'est au gouvernement de rechercher la paix. Non. Vous venez de suivre le député Lamido Moumouni à l'issue de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, et les autorités administratives, coutumières et autres leaders d'opinion de la région. Ils ont ensemble discuté de la démobilisation des combattants de Boko Haram. À Agadez, c'est l'un des plus grands établissements publics du niveau secondaire de la ville, euh, le CS Tagama, qui fait face à un manque de professeurs d'anglais. C'est ce qu'affirme en tout cas le proviseur qui lance un cri de cœur pour qu'il y ait plus de professeurs dans les classes. Sabit Elaj Saleh nous raconte la situation et dit comment il se débrouille en attendant une éventuelle solution. Il est au micro de notre correspondant à Agadez, Moussa Maman. Le CS Tagama est un établissement public comme un peu partout au Niger. Le problème ne manque pas. Donc euh, le problème est là, comme euh, le plus souvent on a ce problème euh, et on arrive quand même à, faire fonctionner l'établissement. Et le problème d'enseignants que nous avons, le plus crucial maintenant au Gamma, c'est en anglais. C'est en anglais seulement là où on a vraiment un besoin très crucial qui nous empêche souvent de dormir. Vous avez combien de professeurs d'anglais ici Bon, le professeur d'anglais, nous avons jusqu'à 5 professeurs d'anglais, mais qui sont insuffisants. Nous avons besoin de 9 professeurs d'anglais, mais malheureusement, on n'a que 5. Mais comment vous arrivez à gérer les matières Bon, voilà, vous savez, si normalement on a un seul professeur de la matière, tous les élèves là veulent à ce que l'enseignant là les enseigne. Bon, étant on a besoin de, de, 9, on n'a que 5. Maintenant, on est en train de chercher deux enseignants d'anglais. Maintenant, pour couvrir le besoin, voilà ce qu'on fait. On essaie un peu de diminuer le volume horaire un peu partout. Une classe dont on doit faire 4 heures par semaine, on essaie de faire 3 heures. Donc, partager ces 5 professeurs-là pour satisfaire le besoin de tout le monde en attendant que l'État nous fasse, nous envoie des enseignants en anglais. Donc, par rapport à la répartition des volumes horaires, nous avons fait en sorte que les classes d'examen aient au moins les 4 heures pour pouvoir finir le programme. Maintenant, c'est les autres, ce sont les autres classes d'examen qu'on a fait en sorte que chacune des classes ait au moins 3 heures pour pouvoir progresser dans le programme. J'appelle au gouvernement que Compte tenu de, la situation, de vraiment de la région d'Agadez, les, les, gens ne veulent pas venir. Maintenant donc, nous nous appelons, nous lançons un appel au gouvernement de faire en sorte que les enseignants accepte de venir dans cette région-là. Et quand il accepte vraiment euh, de faire en sorte que tout enseignant qui vit dans cette zone-là soit vraiment dans les conditions que de, pouvoir le maintenir dans cette, dans cette région-là. Donc voilà un peu comment on fait pour surmonter ce problème-là. Vous pensez que vous, vous pouvez finir euh, votre programme euh, avec cette méthode-là Bon, avec un peu du courage des enseignants que nous avons, sachant encore que ces enseignants-là sont vraiment conscients de ce problème de manque d'enseignants, ils se débrouillent vraiment à faire pousser la progression. Même si on ne peut pas finir, on s'arrange dans les autres classes pour que le, programme, en tout cas, aille loin. Vous venez de suivre le proviseur de l'établissement public euh, secondaire, donc le CS Stagama d'Agadez, qui euh, lance un cri, un cri de cœur pour plus de professeurs dans les classes, notamment des professeurs d'anglais qui manquent dans cet établissement. Comment gérer la transhumance entre les communes transfrontalières d'Ayuru et Inates au Niger et celles de Wataguna au Mali c'est à cette question que le collectif des associations pastorales du Niger Capan a tenté de répondre à l'occasion d'une rencontre les 23 et 24 décembre dernier dans le département d'aïrou. Selon Amadou Amidou, préfet d'aïrou, la rencontre a permis de rendre opérationnel le mécanisme de gestion de proximité de la transhumance entre les deux communes. Durant les deux jours, les autorités locales, les chefs traditionnels, les éleveurs et responsables des organisations pastorales ont parlé de la problématique de la transhumance, de la santé animale, de la mobilité du bétail, de la gestion et de la prévention des conflits. Sur la transhumance, nous avons pu joindre le secrétaire général du CAPAN, Mansour Il explique les règles de la transhumance dans les pays membres de la CEDEAO. Suivons-le on euh, fait cette sensibilisation pour qu'ils respectent, un, ce certificat international de transhumance, connaître, respecter le couloir de passage et le port d'entrée. Vous savez que chaque pays a ses portes d'entrée. Récemment, on a euh, eu à rencontrer le, le Togo qui vient au Niger pour nous expliquer un certain nombre de dispositions qu'ils ont eu à prendre cette année au niveau du, Togo. Ils nous ont dit les portes d'entrée autorisées, etc. Donc, il y a portes d'entrée, il faut que le, le, le Il y a les usages locaux. Ce qui est permis au Niger ne peut pas être, peut pas autorisé au Togo, au Bénin, au Mali. Il y a la question de la santé animale. La santé animale, c'est pour qu'on nous sensibilisons, pour que la, la campagne de la vaccination vienne de démarrer. Nous avons profiter de cette rencontre pour sensibiliser les éleveurs, en tout cas, ou les représentants d'éleveurs, à faire vacciner les animaux. Il y a la question aussi de la sécurité transfrontalière. Quand un, quand éleveur franchit euh, une, frontière, la règle de la sécurité s'applique à lui. Si un éleveur du Niger quitte pour aller au, au, Burkina, en franchissant la frontière, les règles doivent s'appliquer. Il y a d'abord des postes de contrôle à la frontière qui vérifient qu'il a tous les documents, qu'il a toutes les vaccinations utilisées, avant de franchir. Et ça se passe un peu partout au niveau de la CDAO. Un éleveur qui n'a pas qui n'est pas arrêté, en tout cas, il est amendé et il est refoulé, etc. Si vous voulez aller autour, vous voulez franchir une frontière, vous vous présentez au service de l'élevage. Vous présentez vos animaux, payez le, carnet CIT, je crois qu'il y a 2500, et on vous fait les vaccinations. Il y a des vaccinations qui sont gratuites. Hein. Il y a une qui est, qui qui est payante. Et il faut avoir ces vaccinations-là, qui sont nombre de trois. Et il y a un certain nombre de renseignements, euh, le troupeau, type nombre de têtes. Tous les troupeaux reportés, hein, les troupeaux les terres, tout ça. C'est un Le nombre de personnes qui conduisent le troupeau, etc., Quand vous allez, quand vous allez franchir la frontière, vous présentez votre certificat. Comme vous le savez, il y a des commerçants qui conduisent les animaux. Et ça ne s'applique pas à eux. Eux, c'est des transhumants. C'est des gens qui cherchent du pâturage ailleurs. Et il y a ce document-là, et, qui dit que l'article que le placement du troupeau transhumant sont subordonnés à l'entrée et à la sortie de chaque pays à la détention du certificat international de transhumance vous avez fait la rencontre avec euh, des communes du, du, du Mali. Quelles, sont, les règles d'accueil des élèves, pour les élèves nigériens qui veulent aller au Mali au Mali, nous avons euh, eu à rencontrer la mairie de Otobuna et les règles euh, sont similaires à celles du Niger, c'est-à-dire que le certificat international de la CDAO est obligatoire. Il est obligatoire chez nous. De ce point de vue, il n'y a aucun problème. Et sur cette il y a des, il y a des bourgoutières chez eux. cest sont, il y a des moments où elles sont interdites à tous les éleveurs. Et le, maire disait que souvent, nos éleveurs quand ils vont au Mali, dans leur zone, il y a des, des, des, usages qu'ils ne respectent pas. Il y a des, des fermées peut-être pour, pour tous les animaux comme les Maliens. Et souvent, nos éleveurs continuent pour, leurs animaux. C'est pour que je vous parle des usages locaux. Chaque pays, chaque communauté, là où elle trouve, a des usages locaux. Que nous, euh, nous n'avons pas, nous pas cela. Mais chez eux, ils ont, ils ont des bourgoutières, ils ont des bourgoutières, etc., Ils ouvrent par saison à des, à des, périodes bien précises. Et avant ça, aucun animal ne peut y accéder. Et pourquoi que là, les maires de Watabuna au Mali, les éleveurs, souvent, il y a des règles qui ne respectent pas à Le plus important, pour les, pour éleveurs de mon point de vue, la solution qu'on a faite, c'est qu'il faut généralement aller vous renseigner au niveau des services techniques de l'élevage. Il a tous les renseignements, il a tous les documents qu'il faut pour franchir la Malheureusement, comme souvent nos, partenaires de l'élevage nous disent, il y a des moments où vraiment les voleurs eux-mêmes souvent contournent ces règles-là, ils, ils, ne prennent pas ce carnet et, à leur risque, ils prennent souvent, ils essaient de franchir les frontières et, c'est des problèmes pour eux. Vous avez aussi parlé de la santé animale. Comment se porte le bétail nigérien bon, Au regard en tout cas de, l'exposé, des exposés que nous avons eu avec nos partenaires du ministère de l'élevage, je savais que nous travaillons beaucoup avec eux la santé animale, en tout cas, euh, porte, bien. C'est vrai, il y a eu le cas de l'affaire de la vague de risque. Et là aussi, nos partenaires de Michel Vache nous ont dit que cette maladie est éradiquée. Et, c'est ce qu'ils font, font euh, il y a des vaccins quand même de prévention. Nous sommes en campagne maintenant, actuellement. La campagne est lancée au niveau de ministère de Vache. Et c'est à ce niveau qu'on essaie d'inviter les éleveurs à faire vacciner leurs animaux. Et les éleveurs participent Les éleveurs, euh, beaucoup d'éleveurs participent. Hein. qu'il euh, y a beaucoup d'éleveurs participent, mais comme je vous le dis, il y a souvent des éleveurs qui ne sont pas vaccinés aux animaux. Quand la, peste des petits euh, ruminants, par exemple, il y a la peste des petits ruminants, il y a la péripulmono contagieuse bovine là, donc ce ces deux vaccins qui sont gratuits et c'est la prévention. Pourquoi les éleveurs nigériens hésitent à, vacciner leurs animaux Peut-être certains, certains, peut-être certains, je ne sais pas si c'est une question culturelle ou juste une mauvaise foi, je ne sais pas. Mais il y, a des cas où, au niveau de, nos partenaires d'élevage, souvent des éleveurs qui ne sont pas vaccinés. moi, je pense que c'est une question de sensibilisation. On doit renforcer quand même la sensibilisation parce que tant que les animaux nigériens ne sont pas totalement vaccinés à 100%, on peut toujours euh, avoir le risque de, contamination, etc. Vous savez vous-même qu'aujourd'hui, paradoxalement, les, animaux nous viennent du Nigeria. Avec cette question de la dévaluation, etc., au Nigeria, il animaux qui viennent jusqu'au Nigeria, jusqu'à Turakou, ici. La frontière Niger-Mali, eh, on sait que c'est une zone d'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui la paix est revenue Il n'y a plus de vol de bétail, il n'y a plus d'exactions Non, non, c'est une, zone euh, insécure. Hein. C'est une zone insécure. Et nous-mêmes, euh, on n'est pas de ceux qui encouragent en tout cas les éleveurs à aller, au Mali pour ne, pas pour se pour être pillés. Et même le maire qui était là, il a été braqué chez lui. Dieu a fait que le sorti, ça, le ça mais il y a toujours des problèmes, nous ne le saurons pas. Et je pense qu'il euh, y a récemment même des mesures qui seraient prises au niveau national pour ces zones là parce nous a dit que vraiment, euh, d'ici là, d'ici là, il n'y aura, plus de motos en circulation dans la zone. Dans la zone, au, le long de la frontière le long de la frontière, il n'y aura plus de motos, Et c'est des mesures qui vont, qui, seront, commencer à s'appliquer à partir du 10 janvier. Et pour vous dire que nous, en tant qu'organisation de l'éleveur, on ne souhaite pas aux éleveurs d'aller dans ces zones parce que, visiblement, il n'y a, pas d'État. Pas d'État. Nous ne nous encourageons pas à aller dans ces zones-là. Et, comment vous faites pour contourner euh, ces mesures Non, là, les mesures ne concernent que ceux qui empruntent les motos à des roues, à dans la zone. Nous, ce que nous ce que nous encourageons, d'abord, un, dans cette zone-là, il faudrait que la population, n'est-ce pas, euh, essaie d'aider de collaborer nos forces de défense et de sécurité, pas seulement la pression pastorale, la pression d'une manière générale, parce que les, bandits là, euh, ils se dissimulent au sein des populations, etc., comme vous le savez. Et nous, ce que nous souhaitons, ce que nous avons demandé et ce que nous disons chaque fois, c'est que la population, du manière générale, euh, doit quand même contribuer, n'est-ce pas, à, sa propre sécurité, parce que les militaires à ne peuvent jamais sécuriser cet espace-là, parce qu'avec des complicités, ce n'est pas possible. Et nous, nous encourageons les éleveurs vraiment C'est une question de, sécurité personnelle, d'éviter certains endroits, tout court, pour risque de perdre sa vie. Parce que le Nord Mali, c'est pas, la, sécurité au Nord Mali, c'est pas pour demain. Vous venez de suivre le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. Mansour Moine à la suite de la rencontre euh, le 23 et 24 dernier euh, sur la façon, sur comment gérer la transhumance entre les communes transfrontalières d'Ayuru et Inates au Niger et celle de Ouattaguna au Mali. Un mot de santé avec la douane nigériane qui a saisi à Lagos la semaine dernière 6 tonnes de riz, mais pas n'importe quel riz, du riz en plastique, un produit hautement toxique pour les consommateurs. Alors une telle chose peut-elle se produire chez nous au Niger Alors ce qui est sûr, il existe une brigade sanitaire en charge de contrôler les marchés et magasins du pays. Hassan Hamidou, chef service intervention et coordination à la brigade nationale de la police sanitaire, se veut rassurant. Il affirme que ce produit toxique n'est pas en vente sur le territoire nigérien. Il est au micro de notre reporter Habib Garba. Cette information, nous l'avons depuis plus d'un mois. Nous avons mené des investigations pour voir si ce type de riz est rentré au Niger. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas. Nous avons l'information et le plus souvent, ces types de riz sont dans des sachets de 5, 10 kilos et 25 kilos. Et plusieurs emballages en plastique surtout et de différentes couleurs. Ah, des emballages couleur bleue, jaune, orange. Donc euh, nous sommes en surveillance sur le terrain pour pouvoir détecter les cas éventuels. Alors comment faites-vous euh, votre contrôle Bon, les contrôles se font à partir des frontières puisque nous avons sur la frontière avec le Burkina au niveau du poste de contrôle de Torodi, nous avons notre agent et nous avons nos agents au niveau de poste de contrôle de euh, Gaïa et au niveau de poste de douane Niamey Rive Droite et Niamey Aéroport. Donc c'est eux qui font la surveillance puisque les camions transportant ces produits la passent par ces corridors douaniers et dès qu'il y a suspicion, ils nous téléphonent et nous interceptons euh, les véhicules pour aller jusqu'au niveau des magasins pour voir leur déchargement. En cas de ce genre de problème, est-ce qu'il y a des sanctions Il y a des sanctions puisque les textes ont prévu tout, puisqu'il y a l'ordonnance 93, 13 de 2 mars 1993, qui a institué le code d'hygiène en République du Niger, qui a prévu tout. Et il y a la loi portant création de la police interne qui, dans ses décrets d'application et arrêtés, ont prévu les sanctions. Alors, quelles sont les sanctions Les sanctions vont de 500 000 à 500 millions, puisque dans le code, c'est considéré comme importation de produits toxiques, donc c'est sanctionné par le code d'hygiène. Et il y a l'emprisonnement qui suit, qui varie de 5 ans à 25 ans aussi au contrevenant. C'est la police interne qui a été créée en 93 et qui jusqu'à aujourd'hui fait les activités de contrôle, surtout sur le contrôle des arrêts alimentaires. Donc les structures existent il y a la brigade nationale. Au niveau de chaque région, il y a une brigade. Au niveau de chaque département, comme la loi l'a créé, il y a une brigade au niveau de chaque commune et les 42 postes de contrôle qui ont été créés à ce effet. Ça existe et nous faisons le contrôle. Et chaque matin, nos agents vont dans les différents magasins et sur les marchés pour faire le contrôle de routine puisque on doit suivre si au niveau des frontières c'est pas détecté, on va au niveau des magasins de dépôt et des magasins d'alimentation générale aussi. Il n'existait pas une euh, institution qui a été dissoute par euh, le Conseil des ministres qui est chargé du contrôle des prix et des qualités au niveau des frontières Vous savez, si nous prenons cette structure dont vous parlez, de la loi portant création de l'AVCN, explique que l'AVCN doit collaborer avec les structures existantes dans le domaine de contrôle pour l'accomplissement de sa mission. Donc c'est une institution de certification, mais pas une institution de contrôle ou d'inspection. On confond tout, parce que les services de contrôle sont au niveau de trois ministères. Il y a le ministère de la Santé, à travers la police sanitaire. Il y a le ministère de l'élevage, à travers leur euh, police sanitaire des animaux. Et au niveau de l'agriculture, il y a le service phytosanitaire. Donc, ces trois structures qui sont censées, c'est les organes de contrôle et d'inspection de l'État. Donc, l'AVCN doit coordonner et avoir les rapports de ces différentes structures pour décider de la conformité ou non des produits mis sur le marché. Mais il y a une confusion dans l'application de leur propre loi, parce que la loi était claire. Ils doivent s'appuyer sur ces trois structures-là pour leur mission. Donc puisque les ministères dont je viens de citer sont membres du conseil d'administration de cette structure. Et c'est pas pour rien. Et la composition de cette structure, je crois, ça a été biaisé quelque part. Sinon, tous ces ministères, quand on dit conformité, des produits. Il y a les produits, euh, les matériaux de construction, il y a les services, les prestations de services, il y a tout dans ça. Et normalement, chaque ministère concerné doit se retrouver là-bas doit avoir un représentant qui, en cas de problème, saisit les agents de son ministère qui vont aller faire le contrôle et l'inspection et dresser rapport qu'ils vont envoyer à leur correspondant. Et, euh, et la structure se réunit pour examiner la teneur du rapport et voir quelle décision prendre. Voilà comment on devrait travailler. Mais malheureusement, il y a une confusion une incompréhension de la loi moins importante de cette structure. Nous avons euh, des réunions avec eux, mais on ne peut pas être juge et parti, parce que c'est eux qui doivent certifier. Si c'est eux qui doivent faire le contrôle, il y a problème. Il y a le service qui doit faire le contrôle. Maintenant, au vu des rapport de ces services, ils doivent décider de certifier ou non un produit. Alors, quelle appréciation faites-vous alors de la dissolution de cette institution Bon, euh, je crois euh, quand vous prenez les pays, parce que nous rencontrons dans les réunions et séminaires au niveau international. Il y a des structures de vérification des normes. Dans chaque pays, c'est l'Agence nationale de normalisation. Et l'Agence nationale de normalisation est composée des éléments des services de l'État censés contrôler les produits. Et maintenant, les normes sont définies par les services concernés et validées par cette structure. Et si c'est validé, ça devient une norme nationale qui est applicable sur les produits. Donc, chaque service dans son domaine d'intervention vérifie est-ce que ce produit, le produit est conforme à la norme que lui, il a soumis à la validation au niveau de l'agence. Si c'est pas conforme, maintenant, il saisit la structure pour le retrait s'ils ont délivré déjà un certificat de conformité, de le retirer ou bien de suspendre ça pour que l'intéressé se mette règle. Donc c'est comme ça, ça existe dans tous les pays. Mais pas sous cette forme. C'est une agence nationale de normalisation qui est la gardienne de normes nationales. Et mais les services de contrôle envoient leur rapport au niveau de cette structure pour donner suite à une infraction par rapport alors, en vous entendre parler, on ne doit pas dissoudre, mais plutôt euh, réorienter ses euh, attributions. Voilà. C'est revoir sa, sa dénomination, hein, et revoir ses attributions et sa composition aussi, puisque c'est ça le problème. Les attributions et la composition qui posent toujours problème. le fonctionnement, ça, c'est le travail de tous les jours, mais les attributions et la composition doit être revue et la dénomination. On ne peut pas se substituer à un autre service alors que la loi portant création dit collaborer. La collaboration, c'est des structures de l'État créées par des lois aussi et qui ont des attributions claires. Donc, ils doivent s'appuyer sur ces structures et pouvoir mener sa mission. Mais malheureusement, sur le terrain, c'est une confusion totale. Ils font le travail de tout le monde. Alors que au niveau de cette structure, toutes les spécialités doivent se retrouver. On ne peut pas être plus royaliste que le loi. Donc, dans sa composition, toutes les structures ou les ministères techniques concernés doivent être représentés. Et le représentant est le lien entre les structures de contrôle et cette structure. Mais malheureusement, c'est pas ça. Moi, je crois, pour mettre en place une telle structure, c'est une réunion de l'ensemble des services concernés des ministères pour que on s'accorde sur quelque chose. Et même sous tutelle, on doit voir là où, puisque quand vous prenez de l'autre partie, c'est un service autonome, détaché de tous les ministères. Parce que si c'est rattaché à un autre ministère, c'est là où ça crée problème. Mais si c'est détaché de tous les ministères, mais qu'on compose ça en fonction des ministères intervenants, le problème ne va pas se poser. Dans les autres pays, c'est sous euh, tutelle de la primature donc, du cabinet du Premier ministre. Dans d'autres pays, c'est à la présidence. Parce qu'il faut que ça soit une structure forte et soutenue à tous les niveaux. Sinon, c'est pas facile. Puisque euh, on est en face des opérateurs économiques qui veulent se faire des bénéfices et il y a l'État qui veut préserver la santé de la population. Donc, il faut que on donne la force à la nouvelle structure, si on veut la créer, et de la placer là où les interventions ne sont pas possibles. Si c'est au niveau d'un ministère, d'un service, des fois c'est des interventions qui viennent d'en haut et le tout tombe. Mais si c'est à la présence, je ne vois pas comment quelqu'un peut aller intervenir là-bas, puisque c'est sous la responsabilité du président de la République. Notre reporter Habib Garba interroge Hassan Hamidou, chef service intervention et coordination à la brigade nationale de la police sanitaire. C'était par rapport à la saisine par la douane nigériane de 6 tonnes de riz en plastique à Lagos. Alors la question c'était de savoir si une telle chose peut se produire chez nous. Eh bien, le chef service intervention et coordination de la brigade nationale de la police sanitaire se veut rassurant. Il affirme que ce produit n'est pas en vente sur le territoire nigérien. À 18h44 euh, l'autre aspect de, ce forum, c'est la poursuite de façon active de la 38e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Le lancement de cette édition a été euh, précédé d'une réunion du comité directeur de la Fédération nigérienne de lutte. À l'issue de la réunion, le comité a décidé de suspendre le secrétaire général et le trésorier général jusqu'à la prochaine assemblée générale. La fédération leur reproche une mauvaise gestion et la non-présentation des rapports moraux et financiers dans les délais. La décision a été prise par les 11 membres de la fédération sur les 13 et les 8 présidents des ligues. Explication avec Abouba Seydoukanda, le président de la FENILUT, joint au téléphone par Soumana Amadou. Euh, une section du comité directeur euh, de la fédération. Nous avions suspendu le secrétaire général et le trésorier général pour une euh, discipline caractérisée, malversation parce que il n'y a pas eu de situation. Normalement, le secrétaire général doit présenter le rapport moral et le trésorier le rapport financier. Donc, euh, rien n'a été fait. Et après plusieurs plusieurs avertissements continuent s'écarter totalement des décisions de la fédération et du respect même de ses membres, euh, particulièrement le président, de telle façon que les gens disent que la fédération est scindée à deux. Le bureau exécutif s'est réuni pour demander purement et simplement leur euh, suspension du fait que euh, ils ne veulent pas changer et ils continuent toujours à désobéir au président et aux autres membres. Nous ne pouvons pas continuer, sinon l'association sera dissoute ou bien nous allons nous casser les dents devant. Je tiens toujours à la réussite. Il m'est difficile d'accepter une défaite, tout pour négligence. Je suis quand même, j'ai eu à présider euh, un bureau mondial pendant mon mon mandat à la tête de, la Fédération mondiale de lutte, mais je n'ai jamais eu une équipe aussi incompétente que cette équipe et je ne peux pas continuer. Donc c'est pourquoi le, le bureau exécutif a décidé de les suspendre et nous sommes arrivés au comité directeur parce que pour preuve, nous avions demandé l'ordre du jour qui n'a pas été préparé par le SG. Alors euh, vraiment, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de débats et la décision finale était de suspendre le secrétaire général et le trésorier général. ils sont suspendus pour euh, combien de temps Jusqu'à l'Assemblée, l'Assemblée générale ordinaire que nous allons convoquer, Inch'Allah, bientôt. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le bureau a constaté aussi des malversations au niveau financier Bon, en tout cas, à ce que je sache, il n'y a jamais eu de compte rendu, c'est-à-dire euh, il n'y a aucune transparence dans la gestion. J'étais obligé en dernière position de prendre toutes mes responsabilités ouvrir un compte au nom de la fédération sur ordre du, bureau, verser euh, toute subvention d'un dans les comptes au fur et à mesure verser le, le montant du budget de ce championnat que nous avions eu à organiser jusqu'à la fin. Mais euh, malheureusement, les recettes et autres ont, mystérieusement disparu. Il y a eu beaucoup de choses. Euh, vraiment, je ne veux pas. Nous avions travaillé ensemble. Je ne veux pas venir euh, ou bien rentrer dans euh, quelque chose qui touche l'honorabilité ou bien la dignité de la personne étant père de famille. Mais ce qui est sûr, euh, ils sont, s'ils ont une conscience, ils doivent savoir que euh, ils ont mal géré. Et maintenant, après la réunion a demandé, même s'ils contestent, d'amener ça devant les tribunaux. Je ne veux pas arriver à là. Autre ce que je veux, euh, c'est leur suspension. Ça a été fait. Donc, euh, Peut-être que euh, auront à réfléchir d'ici l'Assemblée générale et se corriger. Ils n'ont même pas préparé un rapport. Donc, euh, pour montrer l'indiscipline caractérisée, quoi. Hmm. Donc, euh, voilà. Maintenant, il n'y a rien à dire, il faut l'Assemblée générale. Tout le monde, je dis bien, tout le monde, le, le bureau exécutif qui est composé de 13 membres, les 11 ont signé, les 8 les présidents ont signé. Le comité directeur a la compétence de suspendre jusqu'à l'Assemblée générale qui va entériner après. Le président de la Fédération nigérienne de lutte, euh, Abouba Ganda, sur la décision du comité directeur de la FINILUT de suspendre le secrétaire général et le trésorier général jusqu'à la prochaine Assemblée générale. La Fédération leur reproche, du le comité directeur leur reproche une mauvaise gestion et la non-présentation des rapports moraux et financiers dans les délais. Alors, le comité directeur a aussi pris des nouvelles mesures. Objectif, éviter tout trucage pendant les combats entre lutteurs. Nous retrouvons Abou Aganda au téléphone avec euh, Souman Amadou. Un Combat truqué veut dire que où l'adversaire donne l'argent à son adversaire pour lui donner la victoire, c'est-à-dire faire semblant de lutter et tomber pour donner la victoire à son adversaire, ou une région corrompt une autre région parce que la région cherche à être première du classement. Donc euh, c'est ça qu'on appelle euh, combattre combat laisser la victoire à son adversaire. Maintenant, les sanctions, varie de un an à, à, la radiation totale du lutteur. C'est pourquoi nous avions mis une commission de combat truqué et cette commission est là pour vérifier la véracité, si réellement la personne a vendu son combat ou s'il a vendu sa, victoire. À ce moment-là, la sanction tombe. Et s'il s'agit de la région On va donner un, un, investissement et une amende à la région. Si cette région persiste, parce que cette région a des moyens pour payer d'autres régions, mais nous allons suspendre la, région, c'est clair et net. où on suspend les responsables. Alors maintenant, quand il s'agit de sanctionner, est-ce que c'est le corrupteur ou bien le corrompu qui sera sanctionné, ou bien les deux à la fois Tous les deux seront sanctionnés. Et juridiquement, le corrupteur est plus dangereux que le, le corrompu. Maintenant, le corrompu, lui aussi, il est, il est dangereux, donc ils seront tapés par le même bâton. Alors, quelles sont les autres nouvelles mesures Vraiment, vous avez entendu à maître crise, nous avions insisté beaucoup sur le walkie. Et mais malheureusement, je dis bien malheureusement, l'information n'a pas passé parce que c'est ça, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous avions sanctionné le SIG qui, qui ne, ne respecte pas ce qu'on lui dit de faire. S'il avait envoyé ces correspondances-là à toutes les régions, il n'y aura pas ce problème. Parce que ce matin, les, les présidents des huit régions se sont regroupés. Ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés. Donc, vraiment, ils présentent toutes leurs excuses au président de la fédération et au comité national d'organisation parce que nous avions pris une décision et que eux, n'étant pas informés, ils n'ont pas pu respecter ça. Pour cette année, ça passe. L'année prochaine, ça sera mis en vigueur. Le directeur technique Malambarka avait parlé de l'ère du jeu c'est-à-dire la durée des combats. De il y a eu un combat qui avait plus de deux heures étant temps sous le soleil. Donc, pour éviter ça, nous avions dit que il y aura 50 minutes de combat et 20 minutes, celui qui ne lutte pas, il a un avertissement. Donc, euh, là, deux fois 10, quoi. Donc, euh, là, la personne est obligée de lutter. Quart de finale, en demi-finale. Le président de la lutte sur les nouvelles mesures prises pour éviter tout trucage pendant les combats entre lutteurs. Nous restons dans ce chapitre sport pour dire que la Fédération nigérienne de taekwondo a organisé du 19 au 26 décembre plusieurs activités. Il s'agit entre autres de la formation des arbitres, du passage des athlètes au grade supérieur et du championnat national qui s'était tenu du 25 au 26 décembre. Souman Amadou a joint le chargé de communication de la Fédération nigérienne de taekwondo, Maître Hamza Sidi, qui le répond. Cette année, au 19e championnat national de taekwondo, et là, c'est la région de Niamey qui a remporté la première place, suivie de Maradi et ensuite euh, Dosso qui est classé troisième. Au total, il y a 21 catégories. Donc, euh, il y a certaines catégories parce que chaque région doit présenter un seul combattant par catégorie. Donc c'est un combattant par catégorie et il y a 21 catégories. Il y a certaines régions qui n'ont pas amené une équipe euh, complète parce que c'est en fonction du poids, en catégorie. Et après, avant même de commencer la compétition, nous vérifions encore euh, les poids après les éliminatoires pour constater. Mhm. Donc, euh, quand même, toutes les régions se sont présentées. Mais c'est Niamey qui a eu le plus grand nombre de médailles. Donc, Niamey est classé premier et suivi des maladies. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, bien même en général ce que la fédération rencontre dans les œuvres Dans l'organisation pratique, quand même, nous n'avons rencontré aucune difficulté. Euh, vous savez, organiser ces grandes activités, s'il n'y a pas de moyens, ah là, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés parce que il faut assurer quand même le transport de toutes les délégations, leur hébergement, leur prise en charge totale, je veux dire restauration et tout, tout. On a eu quand même, euh, je tiens à le dire, peut-être même vous l'avez entendu dans le discours prononcé par le président de la fédération, quand même euh, des gens qui nous ont aidés, tels que je n'oublie pas de notifier la compagnie de transport Rimbaud Voyageur qui nous a vraiment aidés dans le transport et même euh, dans l'hébergement. Ils nous ont aidés. Nous avons aussi eh, la compagnie de transport eh, aérien, une compagnie de transport eh, aérien aussi qui nous a aidés. Donc on a eu quand même quelques contributions de part et d'autre. Ah et le président lui-même a, <laughs> décaissé de sa poche mhm. avec les quelques sous que la fédération aussi a eu, tels que les frais, les frais de passage quelques frais de formation que les athlètes payent donc, euh, pour organiser ces activités. Cette année, nous avons innové. Nous avons innové beaucoup parce que pour la première fois, nous avons utilisé des matériels électroniques de dernière génération. C'est pour ça que vous voyez, le championnat a pris fin sans aucune contestation et tout le monde était content. Parce que les machines que nous avons, le combattant, quand il marque le plastron, c'est le plastron lui-même qui marque le point. Donc ce n'est plus le juge de coin ou les arbitres qui marquent pour un arbitre même pour dire qu'il y a eu ségrégation, le combattant a marqué, le juge n'a pas mis. Non, là, c'est en fonction de poids et de puissance. Donc le combattant, quand il marque sur le plastron, il y a un capteur au niveau de la machine. C'est la machine elle-même qui marque le coin et c'est affiché directement. Tout le monde le voit en même temps. C'est ça une innovation. Parce que nous avons, à travers la dernière formation et des arbitres internationaux organisés par la Fédération mondiale de taekwondo à Abidjan en novembre dernier. Donc, euh, la formation à laquelle nous avions participé et nous avons eu la formation de ces matériels, donc les matériels que la Fédération a acquis de la Fédération mondiale de taekwondo sur fond propre. Hein. Donc, effectivement, c'est le matériel que nous avons utilisé pour diriger et ce championnat-là. Quelles sont les perspectives à venir qui va venir, c'est que ces matériels que nous avons eu, nous permettent non seulement hein, à nous, aux combattants que nous sommes en train de préparer pour les prochaines compétitions internationales, hein, de comprendre comment marquer les vrai point à l'international. Parce que ce n'est plus maintenant l'ancienne méthode où le juge marque. Donc, euh, au moins là, vous voyez, les combattants, ils ont commencé à s'habituer à ces matériels. Donc, nous allons continuer à les préparer à ces matériels parce qu'aux compétitions internationales, ce sont les mêmes matériels qu'on utilise. Nous avons des athlètes de haut niveau, nous avons des relèves qui sont en train de se hein, préparer effectivement dans toutes les catégories. Et nous espérons, les perspectives, nous espérons, et pour les prochaines hein, compétitions internationales, et nous ayons aussi des médailles de premier rang, donc des médailles d'or, et pas une seule médaille, mais plus. Et nous préparons en même temps les JO, dès maintenant nous préparons les JO de Tokyo 2020. Vous venez de suivre Maître Hamza Siddiq, chargé de communication de la Fédération nigérienne de taekwondo, qui a organisé des activités du 19 au 26 décembre dernier. Je vous rappelle que nous avons parlé de la région de Difa avec la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Mbazoum Mohamed et les autorités administratives et coutumières et autres leaders d'opinion. Ils ont discuté de la démobilisation des combattants de Boko Haram. Nous avons parlé aussi éducation avec ce cri de cœur du proviseur du CS Tagama d'Agadez pour plus d'enseignants dans les classes. Le CS Tagama fait face à un manque crucial de professeurs d'anglais. Et puis du sport, beaucoup de sport en lutte traditionnelle et tout de suite à avec, en euh, taekwondo avec Maître Sidi que vous venez de suivre. Et ainsi prend fin ce, ce numéro de ce mardi 27 décembre 2016. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure et aux mêmes fréquences.